mais qui est toujours premier ministre de la République du Sénégal wax dérange au contraire moi je suis à 100 d'accord sur toute la ligne sur tout ce que Ousmane Sonko a écrit sur sa page Facebook s'adressant à la France parce que cette manière de célébrer ou bien de reconnaître li nga moi moi il s'est tiré du sénégalais mais d'accord, ko mm-hmm. ces sénégalais là ont été tués au Sénégal par la France. Et non, ils ne sont pas morts pour la France. Ils sont tués par la France et ça, c'est plus qu'une injustice. Donc, tous les Sénégalais, en intégralité, devraient défendre l'eau, parce que c'est une question de dans une république ah, dafa am ay sujets yoo xamante ni waru ci am position partisane mais on rappelle que Ousmane Sonko a réagi à une euh, déclaration de

daron doon safé safna ça mais daron doon safé président de la république devant Macron mu ci lim ko wax mu tontu ci si loolu foofu la safé parce que su boobaa foofu lay ëppee sa ampleur parce que dimension événement un peu ëpp envergure il également dimension pour que ñu mën traitent traiter comme il faut dama leen dafa am ci réew yenn question yi dafa a des questions d'intérêt général des positions partisanes waru ci am parmi ces questions bokk na ci lu am Camp Thiaroye Camp Thiaroye ñooñu nekk fa gis nga dafa am lu ñu war a leeral te leeraluñ ko gis nga même bu fekkente ni France euh, nee na d'accord je reconnais lan lay reconnaître dafay reconnaître ben injustice wax ñu pare baal ñu loolu loolu la fi mën mais ñun dafa am lu ñu war a xam te xamuñu ko tey sénégalais amul ben koy laaj mu ne la ñaata nit la ñu rey loolu rek erreur la on n'a pas le chiffre exact. On c'est un manque de respect à ces à ces martyrs là on les tue dans leur dans leur pays. pour avoir demandé leur on doit exiger que cette France là qu'elle nous dise combien de bons Sénégalais ont été tués par cette France injustement institutionnelle mais le on nous dit il y a un document. mais quel quel est le contenu de ce document là est-ce que dafa secret secret il n'y a absolument rien de secret parce que ah, ce sont nos grands-pères qui ont été tués injustement et qui ont sont partis en France pour défendre cette France-là mhm. qui était en perte de vitesse parce que sans nous peut-être cette Allemagne-là a massacrer nous, hein. nous mm, mm, mm. ñun guerre nous Sénégal nous war fay indemnité ñu réclamer nous, Nous ñu fekk leen les gens ne bal pas day xamul la manque de respect à la république du Sénégal mhm. te loolu le président de la république moi le premier citoyen sénégalais bi war a fexe respecter ñu respecté ñu ci reconnaître d'abord ce crime ce massacre au-delà de la reconnaissance de pare ñu respecter ñu ci maintenant pour moi ça c'est pas un problème parce que nous nous avons des diplomates qui s'occupent de l'image du Sénégal, de la signature du Sénégal, et le président qui s'occupe de la signature et de l'image du Sénégal. Donc, ils peuvent s'en occuper et gérer ça. D'accord. Alors, le moment où Sonko, Macron, France, Sénégal, euh, dañu war a bu ci c'est-à-dire Ousmane Sonko et Macron une relation ñu gérer ko mais le Sénégal avec la France continue de jouer cette diplomatie pour yow non la war mën voilà wala wala Ousmane Sonko mën ay position mën déteindre ci les relations entre les deux pays. bon en fait d'abord je Ousmane Sonko le premier ministre mhm. sénégalais avec Macron euh, Je mhm. quelques chiffres euh, la relation entre le Sénégal et la France quelques chiffres. la France c'est 25 des recettes fiscales du Sénégal. Mhm. c'est 10 des emplois formels. c'est le premier partenaire bilatéral du Sénégal je te parle de la France. C'est le premier pays qui aide le Sénégal en matière d'aide publique au développement. Il y a 20 000 Français, eh ben. environ 20 000 Français au Sénégal, dont 90% sont des Franco-Sénégalais. Mm-hmm. Maintenant, en quatre mois, le président de la République, Jomai Faye, est parti en France deux fois, dont Benbi, c'est pour, euh, euh, pour parler normal hein, pour parler des vaccins dont l'usine est financée par l'agence française de développement. Mhm. Moi, madame, le vaccin. le industrie pharmaceutique. Ah. exactement. comprendre donc relation dignité Sénégal avec France la diplomatie c'est le domaine exclusif du président de la République wax nga mais ça va, Ousmane Sonko. parti euh, président parti pastif avec Ousmane Sonko premier ministre da ngeen dissocier même s'il écrit un communiqué signé président du parti PASTEF mais on voit le Ousmane Sonko premier ministre qui ne... nga ce qu'il a la France depuis le 4 avril depuis le 2 avril mm. est-ce que Macron n'est pas le vis-à-vis d'Ousmane Sonko maintenant son vis-à-vis c'est son homologue le premier ministre français est-ce que vous Légui le premier ministre français Ouachi Ousmane Sonko ou mu Sénégal est-ce que vous nga Emmanuel Macron dans ses discours wala ses postes mu France mu Sénégal ou mu Ousmane Sonko Il y a peut-être un problème mais euh, pour moi, Ousmane Sonko il mu a c'est se concentrer sur les affaires du Sénégal où tout est urgent maintenant ce qui se passe son poste là bi nga xamante ni fait, la def mhm bon on est d'accord hein xam nga wax naa <laughs> mais j'avais mal formulé que euh, euh, Cheikh Anta Diop nous africains nous voulons dimbalé dimbali la France nous savons lan moy lan mooy avantage am lan moy priorité Afrique parce que même la France nous sax lan moy manam ay avantage am euh, ci Afrique maintenant affaire wu caaroy 44 b je suis tout à fait d'accord hein que war nañu waxtaanaat war nañu wax la vraie histoire que Macky Sall mi nga xamanteni ni jox nañ ko les archives mu génné ñu xam lan ci archives mhm. mais c'était le c'était pas le moment opportun. parce que moment bi def bi def mom Ousmane Sonko président pastif, bu le mais le premier ministre moment bi def poste bi euh, le président sénégalais Diomaye Faye et le président et son homologue le président français Emmanuel Macron nous ngi toog ci sur une même table di waxtaan c'est gênant Nous n'avons wax dëgg mais moment bi mu ko defee c'était gênant man loolu wax c'était gênant donc di booy déglu Ousmane Sonko muy wax ci Macron bu mënul bañ a wax na bàyyi ba président ñëw comprendre nga mu wax li wax quoi donte man je suis Madame, madame wax ni Macron c'est pas à lui de de définir non mais xam nga l'histoire de Thiaroye 44 là il faut il faut que il faut ñu créer pour moi, dañu créer comité scientifique peut-être un comité historien wala xaw ma lan lan. Mhm. boo la France et le Sénégal peut-être des historiens wala des professeurs wala des diplomates nous devons ñu l'histoire de Thiaroye 44 mhm. mais c'est-à-dire. Euh, passe d'armes maanaam maanaam toog bind sànni wala booy wax Ousmane Sonko buy wax ci Macron da ngay sentir kii moom Macron am nañ problème xamul lu ko Macron def wala lu mu ko wax mais c'est c'est vrai que. buy wax ci moom da ngay sentir ne moom leer ah. parce que waaw mais waaw mais. Ousmane Sonko n'est plus il avait fait allusion. non mais mais Ousmane Sonko n'est plus ce Ousmane Sonko la xam nga xam nga xam nga ba euh, kii Paldi dafa wax lu am solo. mooy mooy mooy le discours souverainisme bi nga bi bi bi nga xamante ni moom la ñu. moom la ñuy moom la ñuy tenir nii. ce euh, euh, c'est pas les putschistes qui doivent diriger ça, cette, cette, unité africaine-là. Ce n'est pas, pas les putschistes, ce sont les Sénégalais. C'est le Sénégal qui doit diriger ça. Et le Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, président de la République, avec Ousmane Sonko, ils ciy un rôle important ils ont un leadership bu bu parce que wax ko fi la dernière fois le président Bassir Diomaye Faye est le mieux élu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk biir e e ak euh, ñi nga xamante ne ñoo ñu wër le Sénégal est la plus grande démocratie de de la CEDEAO ci e ci espace ci espace ci espace CEDEAO maintenant euh, ci discours souverainiste yi nga xamante ni moom la donc ni ñu koy waxee ni ñu koy véhiculer ni ñu koy doxalee Sénégal wute na ak peut-être ñeneen ñi ni ñu ko ni ko gisee maintenant ce ce ce discours là moom moo tax nga président Diomaye Faye entre la France wala le Sénégal et les autres pays ce sera une coopération bilatérale une coopération gagnant-gagnant mhm. mais ñeneen ñi dañoo jàpp ne dañoo war a génnee France indi Russie maanaam chasser chasser Jean pour pour pour pour amener Sergueï le le le le le le le qui. Donc, remplacement donc waaw donc man je pense que. moom professeur moom xam naa ne instant bi yaram baa ngi parce que dama laal domaine dama laal domaine ma daaneel foofu noonu mais le plus important